En temps normal, la transfusion sanguine est un véritable casse-tête. Par exemple, une personne dont le groupe sanguin est A ne pourra pas donner son sang à quelqu'un du groupe B. Seul le sang de groupe O, dit universel, peut être donné à n'importe qui. Il est donc très recherché. Des scientifiques canadiens pensent avoir trouvé la solution pour rendre universel tout groupe sanguin. Des antigènes sont présents dans tous les groupes, sauf le O, les chercheurs ont affirmé avoir trouvé des enzymes dans des bactéries intestinales capables de les neutraliser. Les gens sont surpris parce qu'ils pensent que nous changeons le groupe sanguin de la personne, ce qui peut être effrayant, alors que nous changeons seulement le groupe sanguin du sang prélevé sur la personne. Des recherches avaient déjà été menées avec des enzymes qui agissaient trop lentement. Cette découverte aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces. Nous avons comparé les uh, meilleurs échantillons d'enzymes existants avec ceux que nous avions découverts et nous uh, avons constaté que nos échantillons agissaient 30 fois plus vite. Les scientifiques doivent encore mener des essais cliniques, mais d'ici 5 ans, la transformation d'un groupe sanguin pourrait bel et bien devenir possible.